Par rapport à la question sécuritaire, la France a apporté une grande contribution dans la lutte contre le terrorisme, les djihadistes. Nous, nous souhaitons que le président qui sera élu continue dans la même lancée que le président Hollande en soutenant les armées africaines, en soutenant les pays africains pour le retour de la paix et de la stabilité et que tous les foyers des terroristes soient éradiqués dans le Sahel parce que sans la paix au Sahel, il n'y a pas de paix en Europe. Nous, nous souhaitons que le candidat du Parti socialiste soit élu président de la République française parce que c'est un ami à nous. Maintenant, pour le Niger, quel que soit le président qui sera élu en France, c'est de préserver les intérêts du Niger et euh, les relations qui existent entre les deux pays